Difficile de parler d'immigration irrégulière en Casamance sans penser au village des pêcheurs d'Elinkine. Cette localité de Kassa a longtemps été un point de départ massif de jeunes pour un Eldorado incertain. En 2006, c'était des dizaines de départs en plein jour. Capitaine de pirogue en son temps, cet homme ne se voile pas la face pour nous parler de son cas, lui qui, par deux reprises, a pris la mer pour cette aventure. aéroport pour pour Espagne. tam boobu moom fii amul nëbatu amul état amul dara fii amul nëbatu fii gars yi dañuy yeb rek fii ak jooge. Elenkin Djogé et les îles du Saloum étaient comparables à des aéroports en 2006. Des départs pour l'immigration clandestine étaient notés même en plein jour. Il n'y avait pas à se cacher. J'ai tenté à deux reprises cette immigration. La première, je suis allé à l'île Yoron. Après, on nous a conduits à Porto Ventura avant qu'on retourne au Berkay suite aux hein. accords signés par Abdoulaye pour le hein. retour des clandestins, ce que nous avons suivi en tant que Sénégalais.

En plus de la raréfaction de la ressource et des tracasseries liées à la pêche rencontrées dans les pays voisins, la pression sociale et la stigmatisation sont les arguments avancés par ces pêcheurs pour justifier le devoir d'affronter les océans en vue de réussir à reconquérir leur place, leur notoriété dans la société et au niveau de leur famille. J'encadrais mon petit frère dans la pêche. Bah, Aujourd'hui, il s'est marié et a construit sa maison grâce à cette aventure. Au moment où moi, je n'ai même pas de terrain. Donc rien qu'à cause de ça, je me dis que c'est facile de réussir à l'extérieur. Il y a ceux qui disent qu'il faut 4 ans pour réussir à un émigrer, mais rester ici pendant 4 ans aussi, qu'est-ce que je peux investir en restant ici alors que même la dépense, je suis incapable de l'assurer à cause des difficultés de la pêche. Regarde une maison que je suis en train de bâtir depuis des années, mais qui traîne encore. Vous allez à Missira, mais c'est de jolis bâtiments en terrasse qu'ils ont réalisés. Alors, mes propres apprentis le font et moi, je reste au mon point avec cette rareté de la ressource et la tyrannie des bateaux qui gâtent nos filets. Que faire Refuser de partir la pression familiale est aussi une raison du départ massif vers l'Europe. Quand le petit frère est plus nanti que toi, tu perds ta dignité, même le respect. Alors finalement, ça pousse à sacrifier sa vie pour échapper à cette humiliation. Dès que l'occasion se présente, je partirai. C'est dire que la traque Lancé par le chef de l'État contre les réseaux mafieux de passeurs pour freiner cette saignée des jeunes Sénégalais vers l'Europe par les voies irrégulières peine encore à trouver une oreille attentive chez ces pêcheurs qui, à l'image d'Aimé Césaire, n'affichent d'autre choix que partir pour fuir l'humiliation.